le mouvement Wagor Pichare, c'est vrai que Denis politique mais c'est-à-dire sommes euh, des politiciens 365 jours sur 365 jours comme le font certains déjà ñun sommes ci ben parti ñun ay indépendants. lañ indépendant lañ mës voyez ça donc euh, amna élection yu fi jotté a jaar yo xamni participer nañ ci lu ci melni comme élection présidentielle euh, amoon nañ ben candidat de l'opposition parce que opposition lañ nek amoon nañ ben candidat de l'opposition pour nous soutenir donc bu ñu jugee ci lolu donc amna yenen élection yo xam participer nañ ci mais bo xolé tay ji dans le cadre politique liñu gën intéressé moom moy la mairie de la la gestion locale de notre commune C'est ce qui nous a intéressé loolu moo tax boo xoolee ni ñu investiroo ci élection en 2014 nar ko investirowaat encore une fois ci élection locale yi nekk suñu kanam ba tey dafay wute ak yeneen yi comme tamit am na élection yoo xam ne mais ñun on trouve pas notre compte là-dedans on se dit que ça nous intéresse pas Bah, lu ci mel élection législative ñun gis nañ comment se passe l'Assemblée au Sénégal comment est-ce que les gens font pour construire une majorité mécanique donc on s'est dit que nous participer que nous bañ participer vraiment am na un système boo tant que dañul Sénégal muy un président qui fait sa liste qui impose sa majorité à l'Assemblée ñun devons y participer loolu moo tax élection législative Nous devons ci participer voyez ça donc dañuy politique certes mais euh, je pense que ce qui est sur euh, la gestion communautaire euh, l'engagement citoyen c'est ce qui ci participer sur les actions politiques mënoon nañ def comme ñeneen ñi avons créer une affaire boo xam c'est à l'esprit d'un français maanaam benn turu français mouvement pour le etc de développement de l'émergence de nangam nangam on pouvait créer comment dirais-je l'Union student union of etc etc., du genre affaire créer des trucs assonance anglais assonance français voilà, dara wala dara non mais on se dit que comme as dit, euh, bien que la majorité n'est pas wolof mais comme c'est la langue la plus répandue du Sénégal faut que l'arc nous dégg Nous avons créé un mouvement ni alors pour que nous avons nous nous ñun ñun amuñu xaj ak seen wuñ kenn commune Djiddah Thiaroye ko 66 quartiers amul kenn ku ñu bedd ci mouvement waa gox bi donc dès qu'on a dit le mouvement citoyen waa gox bi pare teg ci ça veut dire que képp kuy yeewoo Thiaroye sa place mi ci biir mouvement bi donc ak fo mënti nek ak pat ak entité bo mënti bok ñun dañoo ubbi suñu porte grandement ouverte pour que képp ko xamni am nga ambition pour que gis gox bi changer image changer doxalin euh, ñu accueillir la comment dirais ça, intégrer la euh, nga ñëw comme tout le monde man tay ji yàlla suñu borom dafa def ma nek le coordonnateur euh, yàlla suñu borom dafa def je gère un peu la communication comme ni ma koy faral di waxe mais ci bir mouvement citoyen wa gox bi Thiaroye ku ci nek ak li ngay gérer gestion de la municipalité du gestion clanique gestion municipalité de gestion familiale gestion municipalité gestion par copinage par camaraderie interne Si euh, vous la maire président de la république vous la vous Quel est pouvoir Si vous la une euh, commune de la commune bi def quartiers commune pouvoir local euh, li nga xam ne moom ce premier première prérogative moom mooy euh, d'intégrer tout le monde dans la gestion mais déjà premier échec maire commune bi moom mooy beddi bi muy beddi ñi nga xam ne bokk ñoog gis-gis ñi nga xam ne bokk ñoog moom jëmukaay ñi nga xam philosophie Voyez ça donc loolu mooy premier faute bi nga commettre n'importe quoi. nga jóge ci loolu tey ji li ñuy wax la gestion participative tey euh, boo nekkee ci commune nga am ay potentiel il faut savoir les exploiter xam nga par exemple quelqu'un qui est dans la commune bi am spécialité yoo xam ne tey yàlla suñu borom jox na ko ko muy xam-xam euh, je pense que la meilleure des choses c'est au moins quand tu fais quelque chose que tu puisses l'impliquer voyez ça donc ñun euh, on se dit que duñ ne y a du tabula rasa le maire n'a rien fait non le maire de la commune de Djidé Thiaroye il a essayé ce qu'il peut il a fait ce qu'il pense être le bon. ji boo sur le plan éducation il a beaucoup échoué Parce am des gestions folkloriques vous ça..! Euh, chaque année euh, comment dirais-je tu tu tu tu tu, regroupes les gens a euh, Yakarni, par exemple euh, folklore bi ngay def nii la gestion de l'éducation tout tout tout toute l'étendue de l'année xam nga par exemple nga en octobre on élèves voyez ça avec euh, ay quelques comment dirais-je membres de leur famille vous sa un genre musicien def ko un genre meeting ça ne dit pas son nom après nga ne ngay quelques cahiers quelques ardoises quelques sacs donc là je pense que c'est un c'est un départ qui est faussé loolu mooy benn nga jël maintenant sur l'enseignement supérieur les étudiants de la commune nous boo dit woowoon tey ji nga qu'en est-il du transport des étudiants Euh, comment dire, de la commune vers l'université. Ils vont te dire que vraiment, ça a été la gestion la plus catastrophique. Alors que ce qui a été annoncé en Tentamar et ce qui a été fait dans l'interne, ça a été, ça a été deux. Vous voyez ça Donc, ce qui annoncé euh, en pompe par rapport au transport étudiant, actuellement, ce qui est la situation, c'est différent. Beaucoup. Le mouvement citoyen Wagorbi, mon dit que l'État du Sénégal, masque bir commune de L'État du Sénégal, ça, nous avons dit combat. Dès que les gens ont annoncé euh, le premier cas de Covid-19, on s'est retrouvé en, en réunion d'urgence bi ñu ñëwee réunion d'urgence gars actuellement face à la situation si le président mi ngi le virus est à nos portes faut foofu la ñuy il ñu a un cas deux cas trois cas quatre cas les gens n'avaient même pas parlé de cinq cas Nous nous sommes automatiquement qu'est-ce qu'on doit faire quelle doit être la participation du mouvement citoyen ou euh, pour faire face euh, à la maladie de la Covid 19. avant de faire quoi que ce soit. Nous avons nekk génne li ci ko ci 5000 10 000 qui 20000, 20 000 participation citoyenne kenn 50 000 am ñu 30 000 automatiquement on a activé le groupe international. parce que si on a duggee da ngay ñun la gox bi la Dakar le la Sénégal ne war la international parce que affaire bi la base de la woon le berceau du mouvement. Mais en un certain moment, des jeunes de Kermessar sont venus intégrer le mouvement. Des jeunes de Parcelles sont venus intégrer. Des jeunes de, de, de, des jeunes de Yembol Sud et de Yembol Nord sont venus intégrer le mouvement. Des jeunes de... etc. Euh, etc. Donc nous avons dit que nous avons dit que la région est impliquée dans ce que nous faisons. Nous avons dit que nous euh, les 14 raisons il dem tay jeunes ils se réclament du mouvement pourquoi parce que gis nañ à travers l'internet, à travers les réseaux sociaux mu neex leen ma vraiment on veut intégrer on a un grand un, groupe WhatsApp euh, comment euh, tous les membres se retrouvent là-bas on vous ajoute donc ñu lay jox régulièrement les informations ngay xam di xam quand il s'agit de faire de faire une lutte nous on a été au front depuis le début mais à un certain moment les mesures de l'État nous ont un peu mis en déroute parce que nous avons foo xam par exemple euh, nit nous ñu mesures normales. Nous xam nga am ce sont des acquis Si l'État état il ba teg mu acquis état de ko doon téye muy lan bi ñu euh, état d'urgence bi avons na yu bëri yoo xam ne Sénégal muy la question du transport muy la question de l'occupation de la voie publique muy la question des tapages nocturnes muy la question etc. cetera ça, cetera loolu acquis les Sénégalais l'ont longtemps voulu mais comme ils n'ont pas eu ça état dem ba teg benn état d'urgence de plus de deux mois ba ñu téye yooyu état war ko relâché Nous naa ni le mouvement waa gox bi euh, bi ñu ba état euh, comment dirais créer ben benn genre système de relâchement c'est les sénégalais euh, comment dirais déplacement bi je ne sais pas pour quelle région économique ñun tamit on s'est un peu dit nañu def recul nañu def benn stand-by ñu xool fan lañ jëm ndaxte après ñoo dem ba mu nekk su mboxloo ñun bi ñuy Ken kenn jugul encore une fois bi ñuy jug bi ñuy jug ñun suñu commune état du Sénégal djugul ñun ñoo jitu combat Covid 19 ñoo ci jitu nguur suñu biir commune ñun ñoo fa jitu état du Sénégal suñu biir commune bu jiite ciaré kaw. ñun on se dit que euh, en tant que nous acteurs on a été dans le processus depuis le début ñun on se dit juste que l'état a cédé à la pression populaire ce que l'état ne devrait pas faire état li mu waroon def moy ñu dem ci déconfinement progressif déconfinement progressif mom moy ñi def relâche ben par ben mais nous avons pris ay mesures yoo ça a libéré les gens d'une manière euh, générale Si ku ci nekk tey jii nga dellu ci li nga gis ngeen état était l'état était obligé de revenir à la charge parce que boo xoolee automatiquement première semaine bi gens ont def muy relâchement bi plage est dafa fête dell bi may ñëw maa ngi romb plage Cameroun. Euh, presque euh, à partir de euh, mausolée comment dirais Seydina mamou ba kérok ngay jot comment dirais après pont bi lépp gendarme yaa ngi ko jalonné. vous voyez ça pourquoi gendarme yi de jalonné ko parce que nit ñi gis nañ riche bi fa nekkoon au niveau des plages dafa fesson del ba mënatoo won sax gis souf ndax doomu arama